Ceci est la manne quotidienne, version audio. Cela a été soigneusement préparé pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, le 20 janvier 2023. Le 20 janvier 2023. Et nous considérons le thème l'armement divin. L'armement divin. L'armement divin. Père nous Dieu, remercions te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Prions Seigneur que tu nous guides. Merci pour cette parole. Qu'à la fin, là et te seront donnés au nom de Jésus. Nous savons que c'est tu un Dieu grand qui fait toutes choses. conduis dans cette parole et aide Seigneur, à l'entendre et à mettre en pratique tel que tu le veux au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Considérons l'armement divin. Voici notre test de lecture, notre test de lecture dans le livre de Juges, le livre des Juges, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Juges, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de ce ensemble. quelques temps après, à l'époque de la meuse moisson des blés, Samson allant voir sa femme et lui porta un chevreau et dit je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla et attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau contre deux queues au milieu. Il les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et il embrassa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les frissins disent Qui a fait cela ont répondu Samson, le gendre du Timien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, et elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez Je ne cesserai peur m'être vengé de vous. Il leva battit rudement dos et ventre, puis il descendit et se retira dans les caverne du rocher du temple. Alors les Philistins se mirent à marche, campèrent en judas, et s'étendirent jusqu'à l'Égypte. Le verset clé, c'est le verset 8. Il les abattit rudement, dos et ventre, il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étan. Souvenez-vous que nous parlons de l'armement divin. L'armement divin. Allons dans le message. Certaines personnes sont si présomptueuses qu'elles pensent pouvoir anticiper la volonté de Dieu, surtout quand cela a à voir avec sa punition pour les péchés commis. Ils minimisent la réalité condamnable du péché et du jugement qui va avec eux. Parfois, cela se fait dans le vain espoir que Dieu joue leur jeu. Dieu a permis aux fils saints d'opprimer et de régner sur Israël, qui ne les avait pas chassés de Canaan. Cela a continué jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, ait commencé à envoyer des juges pour conduire Israël et le délivrer. L'un d'eux était Samson qui était doté d'une force naturelle. La manière divinement orchestrée utilisée ici par Samson pour mener la guerre contre les Philistins peut sembler étrange à l'observateur occasionnel, mais dans, le Romains chapitre 11, verset 30, la Bible dit La sagesse et de la science de Dieu et ses voix sont incompréhensibles. Quand Samson a dit à ses parents qu'il voulait se marier avec une femme des Philistins, il n'avait aucune idée que cela voulait venir de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de part des Philistins. Après avoir contracté son mariage, Samson a été séparé de sa femme pendant un certain temps à la suite d'un désaccord. Quand il est revenu plus tard, on lui a dit que son beau-père avait donné sa femme à un autre homme, le soi-disant ami qui avait aidé Samson à arranger le mariage. Cela devint une occasion pour Dieu d'exprimer son jugement sur les Philistins. Il a révélé Samson qui a détruit les Philistins les du monde. Bien que les chrétiens ne soient pas associés à la violence et ne la reconnaissent pas, il convient de noter que le jugement de Dieu contre les malfaiteurs est réel. Bien que cela puisse tarder à venir, certainement cela viendra quand le Seigneur pour cette parole. Et de plus, le Seigneur veut que qu'on sache qu'il a plusieurs manières de pouvoir lutter contre ses enfants, lutter pour ses enfants. Et quelle que soit la longueur de souffrance des enfants, il viendra en secours. Nous allons prier. Seigneur, te remercie prions Seigneur de nous sonder pour connaître toute vertu ou grâce qui pourrait manquer dans notre vie. Toute vertu et toute grâce qui pourrait manquer dans notre vie, Seigneur, dans nous. Nous prions Seigneur, travaille notre cœur et perfectionne notre cœur. Tout ce qui est non perçu, tout ce qui n'est pas professionnel perfectionner, perfectionner, perfectionne-le et source son nombre de temps d'entrée au nom de Jésus. Nous demandons Seigneur que tu donnes l'humilité à établir nos priorités, la vie sainte d'abord et toutes les choses en rends Comme Samson, tu vas l'utiliser, Seigneur, pour dérailler, détruire tout, Seigneur. Nos ennemis, toi tu viendras faire cela. Et soit ça tarde, tu le viendras. nous prions que tu donnes la restauration de tous nos pasteurs, de tous nos leaders qui ont déraillé le chemin de la vérité, le chemin de la vérité, la sainteté. Je le ramène sur la voie normale au nom de Jésus. 4 nous Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du dit Dieu a plus d'armement dans son arsenal que toutes les armes du monde. Dieu a plus d'armement dans son arsenal que toutes les armes du monde. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans livre livre d'actes. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen.